waimono il va pas, ça va bien mon frère Ouais ça va très bien. Mon ami de tout le temps. Ouais tout le temps. Le parisien, on est là, on est là. Ça va bien Ouais ça va tranquille. On, on parler parler un peu de toi. On sait déjà que tu es né en 1988. On sait que tu réponds au nom de Issa. Oui. Comme Issa qui réalise cette émission. Oui, tout à fait. Issa Baba. Oui. Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler de tes chansons, pour parler de tes contenus. Ouais, t'a connu avec un titre de malade. Ouais, la base. La base. La base. Les BAB de la chose. C'est avec ça que nous allons commencer. Discount <laughs> C'est parti tobai tobai ga Tobaï ne handuno handuno tobai tobai vous l'avez certainement kiffé mesdames et messieurs il avait enregistré la chanson en quelle année en 2015 2015 et c'est ça qui t'a ouais, revenu au grand public absolument absolument Alors, mon ami, mais pourquoi Tobé Tobé Parle-moi un peu de ça. En fait, Tobé Tobé, j'étais avec des amis à la FADA, on discutait de, de la musique. Ok. Et je disais aux gars, en fait, ce qu'il faut mettre l'accent euh, là-dessus, c'est surtout cet ancrage culturel. Ah. Et je me suis dit, bon, mon prochain single, je, voilà, je vais puiser, parce que c'est la base. Ah. Et je me suis dit, pourquoi pas Tobé Tobé et ça a coïncidé, c'était pendant le mois de Ramadan. Et quand vous voyez même les images, eh, voilà, vous, vous ressentez l'ambiance euh, du, mois de Ramadan. les images, on va... Et eh, j'ai hein, enregistré le son. Et la semaine qui suit, Adiska m'a dit on y va, on tourne le clip. Et on a simplement. Et ça a bien donné. Et ça a donné ses résultats. Vous étiez dans le concept, on vous a déjà vu. Eh et c'est ce qui me On l'a fait avec les moyens du bord. Et ça, ça a donné. Ça a donné. Parlons des prochains sons. En dehors de ça, qu'est-ce que tu vas nous présenter sur cette rubrique Pour permettre à tous qui nous kiffent de savoir déjà ce que tu as fait parce que tu as toujours resté. Ah, tu, m'as dit de l'anglais que toi tu as préféré rester authentique. Ouais, En fait, euh, ce que j'ai présenté, présenter aujourd'hui, mhm. il y a d'abord un titre que je vais lancer à Paris il y a deux mois de cela. Ok. Et c'est une reprise en fait euh, de la chanson de Feu Moussa Oui, Moussa Donc euh, j'avais décidé de lui rendre hommage et ça coïncidait avec l'anniversaire de son décès. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas lancer un truc en hommage à ce grand homme qui a bercé mon, mon enfance. Tout à fait. Donc, j'ai décidé d'interpréter Wemo. Wemo de Moussa Et, Wemo de Moussa Oh, j'ai envie de kiffer ça, la version ouais. Et. Ban Banmo, hein <laughs> no di morai mahe Ouais, bon, mesdames et messieurs, l'instant sur la rubrique, l'artiste s'exprime. Hey, c'est qui partie qu'on donne On ne peut pas kiffer de tagata de la chanson. À part les renvoyer. Eh, on va les renvoyer sur la page. Ce, ce, j'avais ça YouTube. Mais c'est ce, je suis YouTube. Tout à fait. Parce que le streaming aussi, ça paye. ça fait mal à l'artiste d'avoir des vues et d'être aussi connu mondialement. Mr. Outa, nous allons finir avec la toute dernière chanson, mais le que le mec va nous proposer, c'est de l'exclure. Hein. C'est de l'exclusivité. C'est pas encore sorti. Le son n'est même pas encore mixé. Tout à fait. C'est l'exclusivité. C'est l'exclusivité. Et je rappelle aussi cette chanson. Cette chanson, c'est une chanson aussi qui a été enregistrée en 2013. 2013. Et donc, euh, on l'a finalisée il y a une semaine ça, de Ça parle de quoi déjà ça parle de Yotueta. Ça vient de chez nous. Ça vient de chez oh, nous. Ok, mais est revient. Aha. Merci Oscar, on a un peu une idée. on les renvoie tous sur la page YouTube de l'artiste. Ok, d'accord. Eh, Yetieta aussi, c'est une chanson de chez nous. C'est une chanson de chez nous. Ça vient de chez nous. Comme on l'a dit dans le premier premier Absolument. En fait, c'est ça l'empreinte Ibaba. Nous sommes à la fin, mais à la fin de cette. On euh, vient de commencer la fin du début ou la fin du. Les bonnes choses ne durent jamais. On va te donner la possibilité de t'exprimer à une minute. Comme il était L'artiste Ibaba s'exprime. L'instant est solennel. Hey. Alors, salam Niger, c'est votre artiste euh, Ibaba. Et on est revenu à la source et on est venu se ressourcer et prendre la température. Et je me dis que voilà, les choses bougent, les choses avancent et c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, mon séjour, ça, ça, se passe très bien et je remercie tous ces artistes qui sont passés me voir, avec qui on a eu des discussions. Et là, j'ai pris note de tout ce qu'ils m'ont dit, de tout ce que moi personnellement je peux leur apporter et de tout ce qu'on peut apporter à la, culture nigérienne. En tout cas, c'est ce qui m'a aussi motivé à revenir, reprendre la température, puisque je sais que voilà, c'est pas du tout facile la, musique ici au Niger. Et donc, euh, de ce fait, on va continuer à travailler et ça payera. Et le Niger va triompher, ça c'est sûr, puisque là nous sommes déterminés. On prendra les choses dans nos mains. On ne va plus attendre l'aide de qui que ce soit on va donner le coup d'envoi et les autres vont suivre, ça c'est clair. Donc euh, pour tous ceux qui veulent euh, suivre euh, l'artiste Ibaba, je suis disponible sur Facebook, ma page officielle c'est I et tiré du milieu Baba comme B A B A officiel. Ainsi ma page YouTube c'est Ibaba officiel, ma page Snapchat et Instagram c'est Ibaba et vous pouvez me retrouver sur ma page YouTube aussi Ibaba officiel et suivre les exclus. En tout cas, il y a du lourd qui arrive. Il y a du très très lourd qui arrive, puisqu'il y a le club de Wemo qui vient de finir. On va le balancer bientôt, donc euh, restez scotchés. C'était l'artiste Ibaba Machine Tolkien. et.